Oui, Khalifa Fassal, oui. il, est, toujours membre actif de Nyolang Mais bien sûr. Bon, moi je suis le coordonnateur du mouvement de Dolel Khalifa Sall, et membre de la coalition au Sénégal, et membre même de la coalition Nyolank. Aujourd'hui, nous, on est venu représenter non seulement la coalition, représenter notre leader qui est aujourd'hui hors du pays. Ce que nous voulons faire comprendre à la population sénégalaise, nous sommes des citoyens sénégalais avant d'être des hommes politiques. Notre devoir aujourd'hui, c'est de s'impliquer sur tout ce que la population organise, surtout en ce qui concerne aujourd'hui les dérives de cet État. Les hausses, on en a assez. C'était l'électricité, aujourd'hui c'est l'huile, avant-hier c'était le carburant. Il faut qu'ils arrêtent parce que Macky Sall n'a jamais diminué son train de vie. Aujourd'hui, il n'en est pas question qu'il continue à sacrifier la population sénégalaise. On a assez. De, de rationalisation des, dépenses. Non, mais il faut. Eh, le problème, c'est que c'est Macky Sall qui doit diminuer son temps de vie avec, avec, son gouvernement. Les Sénégalais ont assez subi. Nous avons assez subi. La population sénégalaise est fatiguée. On n'en on, peut plus. Macky Sall n'a aucun pitié à l'endroit de sa population. Ça ne peut pas continuer. Les Sénégalais sont fatigués. 90% des Sénégalais n'ont plus la possibilité d'assurer vraiment les trois, repas, quotidiens. Mais ça ne peut pas continuer. Il faut qu'ils arrêtent leur dérive. Il faut qu'ils diminuent leur train de vie. Il faut qu'ils diminuent leur train de vie. La population sénégalaise souffre de cette augmentation. On n'en peut plus on n'en peut plus. Et si la situation continue, je vous dis et je vous promets qu'il y aura une un soulèvement populaire. Parce que les Sénégalais ne peuvent plus continuer maintenant à subir ces directives, à subir les caprices de dépenses de ce gouvernement. C'est des caprices de dépenses. nous assistons à chaque fois des, des, des détournements sans solution. Une augmentation des trains de vie inexplicable, incompréhensible. Je pense qu'il est temps que Macky il est temps qu'il revise sa copie. Il, est temps. Maintenant, je l'ai suivi hier, il nous parlait des, des, éventuels des marcheurs qui, pas, qui ne sont pas... Magissal, Macky a dit que le Sénégal c'est une démocratie. Hein. Je vous dis que la démocratie, quelqu'un qui veut promouvoir la démocratie, nous devons prendre l'exemple des États-Unis si les populations ont la possibilité de marcher jusqu'à la, Maison Blanche, si aujourd'hui Macky Sall veut nous faire croire, veut nous faire croire que le Sénégal a une démocratie, il ne doit pas empêcher qu'il y ait des citoyens sénégalais qui font la marche jusqu'au palais. Nous avons vu le cas de Guy Marissagna. Guy Marissagna n'a aucune intention de faire quoi que ce soit de mal. Nous avons vu quand il était arrêté, il n'a fait aucune violence à l'endroit des, forces de l'ordre. Aujourd'hui, il a et tous les autres tous les, responsables qui étaient avec lui ont été libérés et pourtant ils ont tous les mêmes chefs d'inculpation. Et cela cela, cela prouve tout simplement que, Guy Marissagna était le cible du gouvernement, était le cible du président Macky Sall, il était le cible de Macron. Et aujourd'hui,

waaw nañ jël dëkk bi teg ko ci yoon suñuy suñu naturelles tubaab bi li fi Ablaye wat defoon mu baax Senghor def ko fi mu baax Abdou Diouf def ko fi mu baax lépp magi Sall yàq na ko jàpp nit ñi di dëcc ci kaso bi loolu fan la tegu boo waxee am ñoo xam ne ñoo ànd ak ñoom li sëñ Mbacke fan Fatma waxoon am na ñu jaay seen ngor sëñ Mbacke Gaynde fan ni ñu jaay seen ngor dañoo am woon ngor ngor ku ko am du ko jaay magi Sall dafa moomul nit ñi ñun ay citoyen sénégalais lañu boo gisee ñu bàyyi suñu yëpp. ñëw ànd ak xale yi ci marche bi nekk sur le terrain am nañu li ñu mën a dem suturoo ko waaye suñuy doom dañuy ñëw ëllëg comme que xale yi dañuy ñëw ëllëg li ñuy xeex dañuy ànd ak xale yi xeexal leen ko dañuy ànd xale yi bañ ko dëkk bi kenn moomu ko li mu leen di daal mooy benn wax ñun ñëpp nañu ànd ñoo bañ ñoo lànk duñu ko nangu ñoo bañ ñoo lànk duñu ko nangu loolu la ñuy wax Abdoulaye